de di nuyu ce nekk sa à commencer par euh, à commencer par euh, l'inspecteur qui devait être là Madame le maire Madjigenyan, l'ensemble des conseils municipaux et les directeurs les directeurs d'école l'ensemble des, délégués des délégués de des délégués de quartier l'ensemble des présidents de conseils de quartier la population. L'ensemble des présidents, l'ensemble de, la, des présidents de CGE et des APE, probablement. Nous vous disons d'abord merci. Et comme d'habitude, c'est un plaisir de vous rencontrer dans le cadre qui nous réunit aujourd'hui, à savoir une remise de fournitures scolaires. Nous avons l'habitude de le faire depuis trois ans que nous sommes là, à chaque début d'année. La mairie s'attelle a donné aux élèves de la commune une dotation en fourniture scolaire de l'ordre de 15 millions. Donc, nous avons l'habitude de nous rencontrer pour une telle journée, pour magnifier cette chose que nous avons commencée. Je tenais aussi à remercier très devant vous l'ensemble des conseils municipaux, dont Madame le maire en charge de l'éducation, Madjigendian, qui va prendre la parole après, et l'ensemble de la commission éducation, dont le président Omar Lo à ma gauche, pour tout le travail qu'ils ont fourni et le suivi. Vous ne me laisserez pas dire autre chose que durant l'année passée, ces équipes ont été en tout, instant en contact avec vous pour essayer de voir dans quelle mesure la mairie devrait davantage accompagner les écoles. Il y avait un certain nombre de doléances qui ont été partagées et que nous pouvons dire que peut-être que tout n'a pas été rempli. Il reste énormément de choses à faire. D'une manière générale, les conseils avec lesquels je suis ici sont convaincus que nous devrions améliorer notre assistance et notre accompagnement pour ce qui, nous revient de droit, cette compétence transférée qui est l'éducation. Donc, chers membres, chers membres des APE, aussi des CGE, cette rencontre-là, nous l'avons, depuis notre installation initiée et en parfaite intelligence, nous travaillons avec cette administration scolaire dans la commune. Et nous disons à l'ensemble de la population que, Inch'Allah, les mesures que nous aurons à prendre seront inscrites dans le budget. Parce que si vous me le permettez, juste rappeler qu'il était question l'année dernière de fournir aux écoles, au-delà des fournitures scolaires, des matériels, imprimantes et autres, imprimantes et photocopieuses. C'était convenu d'une manière orale. Mais nous nous sommes aperçus que, au moment de voter le budget, en 2023, cette ligne-là n'était pas... On n'avait pas mentionné cette ligne-là. Donc c'est un, manquement et que ça devait être suivi par cette commission-là et je les y appelle pour que d'ici peut-être deux mois qu'on aura à faire le budget, que cela soit suivi et que ce montant-là puisse y figurer. Parce que sans cela, nous ne pourrons pas faire d'appel d'offres en ce sens-là. Donc le vœu pied y était, mais la capacité et la possibilité de le faire n'était pas, pas réunies. Donc vraiment, nous essaierons de tout faire pour ensemble continuer dans cette bonne intelligence de travail-là pour permettre à nos chers élèves, pour permettre aussi à nos chers enfants qui sont dans la commune d'être dans de meilleures conditions et que la réussite qui devrait en suivre s'ensuit. Je vous remercie de votre présence et m'excuse personnellement aussi du temps mis, parce que votre temps est aussi très précieux pour la euh, pour, pour, l'éducation des élèves. Je vous remercie à vous tous. Merci beaucoup. Monsieur le maire de la commune des HLM, Madame la la au maire chargée de l'éducation, Monsieur le Président de la Commission éducation, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission éducation, conseillers municipaux, Monsieur les directeurs et directrices d'école, Monsieur les Président, Présidente de CGAPE, Monsieur le délégué de quartier, et Monsieur les présidents, et Madame et les présidents et présidentes du conseil de quartier, chère population des HLM, nous voilà encore réunis une fois de plus pour cette cérémonie que toutes les populations des HLM, notamment les parents d'élèves, attendent avec impatience. Monsieur le maire, depuis votre installation, vous avez fait de l'éducation une de vos priorités. D'abord, vous vous êtes soucié de la situation des écoles en rencontrant les directeurs pour qu'ils vous donnent les situations des écoles et les besoins. Et depuis lors, nous voyons que chaque année, vous avez ça en ligne de mire et vous essayez de satisfaire la demande des écoles pour le bénéfice des parents et des élèves. Oui, les élèves. Ces enfants-là qui sont l'avenir du pays, qui nous sont si chers et qui font que nous tous, nous nous mobilisons chaque année pour leur éducation, leur formation. Parce que c'est les futurs citoyens, c'est à eux de mener ce pays-là à bon port. Et nous vous en remercions et sommes toujours reconnaissants de ce geste-là. Au-delà même de ce geste, chaque année, vous réhabilitez une école. Cette année, vous avez réhabilité l'école HLM 4B. Et vraiment, nous en remercions et vous euh, exhortons à continuer dans ce sens-là pour le bénéfice de l'école. J'ai oublié mon, imam hein, dans les salutations, le directeur de la garde tout petit, Chedao de que je salue vraiment, c'est notre euh, euh, collègue, notre ami. Alors, monsieur le maire, vraiment, au nom du directeurs, nous vous remercions pour ce geste-là. Et aussi, nous nous engageons, je m'engage à leur nom, à vraiment donner, je crois que l'année dernière, vous avez vu, on a donné tout, aux élèves et aux parents. Alors, maintenant, maintenant, le problème qu'on a, il faut quand même que vous nous sensibilisez les populations. Parce que les cahiers, une fois dans les maisons, il y a beaucoup qui ne reviennent pas. Ah, c'était <laughs> ça qu'on avait convenu, de donner les, les cahiers aux élèves pour qu'ils les amènent chez eux et que ah, parents de nous apporter ça. Mais ils croient que c'est leur bien personnel, alors que c'était actuellement, par exemple, dans nos écoles, il n'y a pas de fourniture. On n'a pas de fourniture. Donc on, on compte sur ces cahiers-là pour les cahiers de devoirs, de leçons, etc. Donc je crois que là, il faut une certaine sensibilisation pour les parents, pour qu'ils comprennent que ces cahiers ne leur appartiennent pas ces cahiers-là, c'est pour les élèves, c'est pour les enfants, c'est pour l'école. Nous leur donnons ça seulement pour leur montrer ce que le maire fait pour eux.

yéene boobu nit ñi wane cofeel googu nit ñi wane taxawu boobu nit ñi wone mais loolu kenn mënu ko fay parce que ki la bëgg taxawu la yéene la xam na li xew doo deeru sax nga koy sensibiliser bu jotee dina génne li mu war a def def ko vraiment lu ñu di sant yéen ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah ci loxo monsieur maire ak équipe am bu àndal di nuyu parents d'élèves yi fi nekk yëpp. ak directeur école yi nga xamné ne ñoo ñoo yor suñu doom yi di leen gërëm di leen sante di leen ñaanal yalla di jaajeufal nak monsieur le maire diko wax merci beaucoup si taxaway bi nga taxaw si école yi bi nga ñëwé ba légui sa taxaway gis na monsieur ndjay directeur wax nako parce que chaque année nga dem ci ben école défar ko ba mu rafet ñoo ngi ci si remercier li ngay jappalé parents d'élèves yi tamit ci fourniture yi ngay joxé chaque année dañu gis ni day gëna améliorer koo doon jox ñetti kaye léegi danga koy jox ay dix kaye ñoo ngi lay siy gërëm di la sant ñun parent d'élèves yi ñoo ngi lay ñaanal yàlla yàlla sa taxawaay yàgg di wax ne ñun parents d'élèves yi nañu gën a góorgóorlu jàppale suñu directeurs yi jàppale monsieur maire pour HLM gën a jëm kanam ndax ren résultat yi jot am ci école yi ñoo ngi siy félicité yéen directeurs yi lu bëree bëri bëri bëri bëri di la ñaanal yàlla nag li ngeen def moom ñun ngeen ko defal ak monsieur le maire parce tey suñ nee ecole ndakaaru yëpp ñu tànn si suñuy école boo xam ne suñu gox la nekk ñoo ngi leen siy remercier lu bëree bëri bëri di remercier monsieur le maire di la wax yàlla na sa jàmm yàgg yàlla yàlla jàppale la ba nga yéene ji nga am si waa HLM ak yéene ji nga am si école yi mu gën a yàlla gën la kàttanal ba nga xam ne li nga bëgg si école yëpp nga def ko chaque année nga defar benn école yàlla si yàlla gën a taxaw jërë ngeen jëf merci beaucoup. mbooloo mi. Euh, monsieur le maire euh, mesdames et messieurs conseillers membres de la commission éducation messieurs dames les directeurs d'école messieurs dames présidents et présidentes des CGE messieurs dames membres des APE distingués invités nous ngi leen di massawu ndax cérémonie bi waroon na commencé mais des problèmes de procédure Avec de stockage bi moo tax euh, moo voilà monsieur le maire je vais commencer par des remerciements monsieur le maire merci beaucoup monsieur le maire nous ngi lay vous êtes un allié sûr pour l'éducation dans la commune 2022 ba dit. 2022 ba dit fourniture de tarder. plus de 6000 cahiers plus de 5000 cahiers 100 pages 200 pages de la créer vraiment ces fournitures là sont des intrants qui vont aider les directeurs et les maîtres et les, directeurs, les élèves et les maîtres dans le travail. Inch'Allah. Directeur d'école aussi, nous l'avons dit, pour votre franche collaboration. Vous êtes de grands patriotes directeur d'école nous du ñu du ñu du président CODEC je remercie à tous les directeurs d'école de la commune et à tous les enseignants de la commune CGE aussi nous, ngi leen je souhaiterais euh, remercier ma commission je suis fier de ma commission madame Evelyne centre de pour son expérience pour ses conseils. Aline Badara l'informaticien tout ce travail de calcul là mon Aline Badara merci beaucoup. madame Ouley merci beaucoup pour la présence madame Aram Pay mais mon elle avait un travail extraordinaire madame euh, Amitamba merci beaucoup euh, j'ai oublié qui là. Wali, grand Wali Babakar, Babakar Wali, MashaAllah, il nous, il nous est d'un apport extraordinaire. Donc vraiment, c'est des mots de remerciement. Content nous. Merci pour votre appui, pour votre soutien dans ce combat solidaire pour la qualité dans l'école publique sénégalaise. Je vous remercie. Mhm. Merci une semaine après la rentrée scolaire 2024-2025, la commission chargée de l'éducation, sur instruction et accompagnement du maire Moussa Diop, éprouve un réel plaisir de pouvoir honorer cet engagement ce matin, comme nous l'avions fait ces deux dernières années. C'est vous dire que cette cérémonie revêt une importance capitale pour le maire, le conseil municipal et l'administration, car l'éducation est au cœur de notre projet communal. Compte tenu des efforts que nous ne cessons de mobiliser pour respecter nos engagements vis-à-vis de la population des HLM et de notre détermination à assumer pleinement l'exercice des compétences dévolues en matière d'éducation. Les efforts consentis par le maire sont visibles en termes de réfection des écoles, peinture des bâtiments, et installation des ventilateurs et le SEMI aussi. Pour la réfection des écoles, nous allons, on a réfectionné école HLM 4A, école HLM 4E e et cette année HLM 4B. Et d'autres actions sont prévues en direction des autres établissements. Dans le cadre de la cérémonie qui nous réunit ce matin, nous allons remettre aux écoles 2100 cahiers 200 pages, 3720 cahiers 100 pages, 3700 cahiers 50 pages, 2250 cahiers 32 pages, cahiers double ligne, des gouaches pour la case des tout petits, des paquets de crayons de couleur, des paquets de crayons noirs, ardoise 1200, craie blanche 150, craie couleur 150 et des papiers des caisses de papier de rame d'une valeur d'un nombre de 40. Nous voudrions saisir cette occasion pour féliciter et remercier les directeurs d'école, les enseignants, le corps de contrôle, les parents d'élèves, les partenaires pour les efforts inlassables qu'ils déploient au quotidien pour inculquer à nos enfants le culte du savoir, du civisme, de la citoyenneté et du patriotisme pour relever les nombreux défis qui interpellent notre chère commune. Enfin, dans le souci d'une bonne gestion à l'école, nous invitons l'IF, il ne va pas tarder, l'IF à intégrer davantage dans sa ligne d'action l'évaluation des performances des organes de gestion, comme le, le CGE, afin d'en faire un véritable outil de suivi sur la qualité des enseignements-apprentissages. après je vous remercie de votre aimable